Man quotidienne d'aujourd'hui. Man quotidienne d'aujourd'hui. 9, c'est-à-dire dimanche 9 juillet 2023. Nous continuons le thème Quand l'histoire des hommes ne suffit pas. Quand l'histoire des hommes ne compte plus. Quand l'histoire des hommes ne compte plus. Jésus chapitre 19. Jésus chapitre 19. Josué chapitre 19. Nous allons voir le verset 17. 17 jusqu'au verset 23. 19. verset 17 jusqu'au verset 23. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le soleil. fait la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile sa sagesse. Dieu sa Bien devant même les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lame s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage ponctué à, qui dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'éternel et il te délivrera. L'éternel en L'Éternel a en, en, horreur deux sortes de poids. Et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Cela n'est pas une chose bonne. N'est pas une chose bonne. Verset 24. C'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix Notre verset clé, c'est le verset. C'est le verset 23. Tel fut l'héritage attribué des fils d'Israël selon leur famille, ses fils et à leur village. Amen. Les descendants du Sacre, le cinquième fils de Jacob, étaient euh, réputés posséder le don rare, c'est-à-dire ils avaient possédé un don rare qui était quoi L'intelligence. L'intelligence des temps pour savoir ce qui, ce que devait faire Israël c'est-à-dire dans 1 Chronique chapitre 18 et 12, on va cela là-bas. Les Israélites comptaient sur Issachar pour interpréter les signes des temps afin de les guider dans l'obéissance au Seigneur. Au moment où Jésus attribuait les terres aux douze tribus d'Israël, les enfants d'Issachar ont reçu plus de bénédictions dans leur territoire attribué avec une histoire riche. Alors, le lot d'Issachar hein, abritait des lieux historiques remarquables. L'un était d'Israël, d'Israël dans lequel Achab avait son palais. Un autre était euh, Shunem. Shunem, c'était quoi C'était la scène des grands miracles du prophète Élisée. Ensuite, il y avait aussi rivage qui sonne. C'est sur ces rivages, mais c'était sur ces rives que Déborah et Barak ont vaincu euh, Non, alors l'ennemi d'Israël, c'était aussi l'ennemi d'Israël, et c'est là-bas qu'ils ont vaincu Sisera. Ce loup a également produit les montagnes de Gilboa, même en Saül, et Jonathan ont été tués là-bas. Mais hélas, ces antécédents célèbres ne sont pas traduits par des, riches process, euh, et même on peut dire progrès spirituels pour les dernières générations de la tribu de Sakar. Leurs frontières les ont rapprochés des cultures et des enseignants des païens dont les philosophes étrangers sont contraires aux lois de, Jéhovah. la tribu Sakar ont prospéré malheureusement, bien en fait de matériellement, mais c'est perdu spirituellement. ils ont prospéré en matériel, mais spirituellement, ils, se sont, ils sont perdus. La tragédie de l'homme aujourd'hui, comme Issachar, il y a des, des, siècles et qui est facilement séduit par ce qui peut le faire reconnaître dans les livres de l'histoire humaine et non dans les livres de la vie de Dieu. Le ciel ne reconnaîtra que ceux qui aspirent à écrire l'histoire dans les annales de Dieu par la bonté de leur service, pas ceux qui recherchent la gloire personnelle ici sur la terre. Pensée du jour. C'est le récit de Dieu que quiconque, le récit de Dieu qui compte pas celui de l'homme. On n'a qu'à le savoir. C'est le récit de Dieu qui compte, ce n'est pas celui de Dieu n'est pas celui de l'homme plutôt. Hmm? C'est le récit de Dieu qui compte. C'est ce que Dieu dira de nous qui compte, ce n'est pas ce que l'homme dira de nous dans l'éternité. La Bible en est an, Genèse chapitre 26 jusqu'au chapitre 28. Genèse chapitre 26 jusqu'au chapitre 26.